shirin mu da warhaka da da ku a cikin wannan shirin naku mai da ku wanda a yau ni Aujourd'hui dans votre émission Tous à la fada nous allons parler du mariage des enfants, pourquoi sa persistance au Niger et comment lutter contre tout en essayant de cerner complètement cette thématique. Selon l'UNICEF, cette pratique est une grave violation du droit de chaque enfant à atteindre son indépendance et à réaliser son plein potentiel. Selon l'UNICEF toujours, le Niger a le taux le plus élevé au monde en ce qui concerne le mariage des enfants. Abin da ake nufi a nan shine wato kasar mu ta Niger ita ce kasar da tafi kowace kasa yawan kashi na auren kananan yara. Shi yasa yau muka gayyato gungu-gungu da kungiyoyin matasa waɗanda ke gwagwarmaya domin wannan matsalar domin mu tattauna tare da su akan muhimmin shigon namu. Kamar yadda kuka sani yan uwa matasa, tusa la fada se 35 minutes change de musique, de chronique et de rubrique. Masu sauraron mu yau mun yada zangon fadar tamu ne a nan filin studio kalangu inda muka ɗauko muku zancen auren ƙananan yara et pourquoi la persistance de ce problème au niger yau muna tare da manyan bakin namu a fada zani shayin basu fili kowanne ya gabatar da kanshi zan fara da wacce take a damata assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala barkatuhu to ni dai suna na abubakar zaku zainabu ni ne president kin ong fada da fi kuma ong jeunesse plus to barka da zuwa a cikin fadar tamu zainabu assalamu alaikum suna na nafisatu muhammadu idi ina daga cikin kungiyar koje fil kungiya ce ta 'yan mata da matasa masu kula da haƙƙin mata To barka da zuwa cikin fadar tamu na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Ni sunana Rabiatu Suleiman, ni magatakardan ONG La Fada da Fi. To barka da zuwa cikin fadar tamu Rabi. Mm-hmm. zan fara da tambaya ta ta farko Zainab zan fara da ke Zainab a quel moment peut-on parler du mariage des enfants en fait on veut même savoir menene le mariage d'enfant, en fait, c'est lorsqu'on donne une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de se marier euh, en mariage. Et je pense que l'État a fixé euh, l'âge du mariage chez la jeune fille à l'âge de 15 ans et 18 ans pour le garçon, si je ne me trompe pas. Et Nafi, est-ce qu'il y a une différence entre et le mariage précoce Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes euh, Moi, je dirais que non, parce que marier précocement, c'est marier quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de se marier. Et c'est la même chose que le mariage des enfants. En tout cas, selon mon entendement, c'est la même chose. Hmm. Mais est-ce qu'on peut parler du mariage des enfants quand le sujet concerné est un garçon Bon, oui, parce qu'il ne faut, il faut pas oublier que le genre est là. Et je pense que euh, UNICEF respecte le genre et tout. Donc lorsqu'on parle de la jeune fille, il faut forcément qu'on parle de, du jeune garçon. Et je me dis que c'est à peu près la même chose. Euh, un garçon aussi peut être euh, marié précocement et peut également... Euh, a ganina za iya cewa parce que saboda in an ce yara kenan ba a ce yara mata zalla ba an ce yara mata et en même temps yara maza. yara mata abin da ya samu ake cewa auren ƙananan yara ne sai fashe a realite bu su isa ba aure bu su san menene aure ba bu su san menene zama aure ba e mazaje ma haka nan ne samari ƙananan yara wanda bu su isa shekarun aure su ma haka nan ne yaro karami namiji shi ma ya kame shi auren gaugawa irin wannan shi ma in yaje bai san ya zai kula da mace ba bai san wani haƙi ne ke kan shi ba na aure bai san ba ko menene ya shahi aure kenan ba ta yi wa ne zaman su ya jure kenan an samu matsala kenan auren yara ƙanana da ake cewa wai ba lallai sai mace bace ya shahi mata ya shahi maza a mamta donc pour ajouter à ce qu'elles euh, ont dit c'est tout à fait euh, vrai lorsqu'on parle de mariage d'enfants euh, il ne s'agit pas uniquement de la jeune fille je me dis tout simplement, si on dit mariage d'enfant ou si on, il s'agissait uniquement de la jeune fille, on allait dire mariage de la jeune fille ou mm. des petites filles. Mais on a généralisé, on a respecté le genre. Tout comme un garçon qui n'a pas atteint les 18 ans, on peut euh, lui demander d'épouser euh, une fille ou etc etc donc c'est juste pour vous dire que c'est les deux côtés ça peut être une petite fille tout comme ça peut être un petit garçon mhm. voilà donc euh, et pour pour un peu développer c'est ce qui fait en sorte que les les filles subissent des violences dans les foyers parce que le jeune le garçon ou disons le mari, il est tellement jeune qu'il ne sait pas comment prendre soin de la femme, il ne connaît pas la valeur de la femme. Donc il va commencer à la violenter, à exercer toutes sortes de violences sur cette dernière. Mhm. Donc du coup, euh, lorsqu'on parle de mariage d'enfants, on ne fait pas allusion uniquement à la jeune fille, mais on globalise et les jeunes garçons et, les et, jeunes la, filles. et la, jeune fille. Euh, Rabi, je veux revenir vers toi. kamar wani irin aibu ne bayan wanda zainab ta bamu wani irin aibu ne ke tattare da auren kananan yara akwai aibuka da yawa tattare da irin wa'annan aure tunda akwai abin yana shahon lahiyar shi lahiyar jikin kamar a dauki dai ga lahiya da abin ga mentalitekin wajen hankalin ma wata rana kamar wajen santekinta sante de ana yana abin ga yana tushe wajen nan eh wajen mentalite kuma yarinya a bata a mata aure deja ita yarinya ce wata rana bata san me za ta iske a cikin auren nan mm. kun gane akwai wayansu abubuwa da za da za su bullo mata donc elle va se demander menene cikin menene aka sani wannan yana taba mata abin ga eh, kwakwalwarta har ya kai ta cikin wa'yansu lissahi yarinyar bata isa inda take iya bambanta e wanga c'est normal c'est ça que je dois faire à mon mari ça là je ne dois pas le faire kun ga wannan duka masaloli ne mhm. nafi ke ma me zaki ya kara mana akan abin da rabiya tar wani aibu ne yake sa ana ganin kaman bai dace ba a bada yara aure tun da wuri kama abin da ke sa lalle ma mutum ya fahimta ke auren yara kanana yana da illa mhm. sosai tunda in an ka ce yaro yaro yana cikin yarintar shi kamar hankalin shi na yaro ne sai kawai a ɗauke shi daga yarintar nan a kai shi can wani etap kilnepa kwa kilnepa prepare akwai abubuwa da yawa da vraiment hankalin yaro ba isa ya ɗauke shi ba yaron da ya kamata ya kula da wani wasanni wani wasa da abokan shi ya kula da dai duk abin da ya shahi yarinta kawai an ɗauke shi an kai shi wani fanni da ya kamata a ce ke da ya kamata a kula da ke yanzu ke ce za ki zo ki kula da wani non solomon abun kuma cikin mai al'adunmu na nan na nan kasan abun bai shahi ba ma wai kadai ki kula da mijinki sai kin kula da dangin miji mm -hmm. e tusala nan fa na un enfant n'est pas prêt pour ça et sans oublier les répercussions qu'il y a aussi yau yaro bai bai iya zo ya wanga me yake da suna se plaindre que voilà ban iya wani abu ban yi wani abu ça va devenir des insultes ça va devenir des reproches duk da yarintar da duk da yarintar da yake tare da kai mhm. non seulement tu n'es pas prêt pour ça bancin wannan kuma sun yi zancen lahiyar yaro yarinya karama wadda jikinta bai bai bai bai kosa ba mhm. a ɗauke ta ai mata aure mutane in suna ba da misalin auren yara ƙanana sai su ce ai tun lokacin annabawa an yi shi tun mhm. lokacin mutane mu na da an yi shi da da yanzu ba guda ba dama da ake yin shi kamar irin wannan auren kame ne ake yi mm. a ɗauki yarinya a aura ta ga wani mai ba a kai ta gidan shi ko kuma ko an kai ta gidan shi ba ta zama ɗakin shi wata rana ɗakin uwar shi take zama sai ta tasa ta isa hankalin kanta jikinta ma ya bunƙasa sannan ne za a kai ta gidan mijin amma yanzu ba haka nan bane yanzu babu namijin da za a ɗaura mishi aure da yarinya ya ce ya mata haƙuri shekara wani ko wata ba ya yi haƙuri ba ballantana shekara ballantana shekaru ballantana ma ya sa kan shi a je ça pour son bien, pour que voilà. pire, c'est qu'en fait, euh, ça gâche euh, l'avenir de la fille. Mhm. C'est tout son avenir qui est euh, gâché, si on peut le dire. Parce que moi, je ne peux pas comprendre une petite fille qui n'a pas l'âge de se marier, qui n'est pas préparée psychologiquement sur tous les points. Et le pire encore, c'est que tout est tabou chez nous. Mhm. Les parents ne prennent pas le temps de discuter avec euh, les filles avant, avant de les donner en mariage ça fait en sorte que l'enfant n'est pas préparé, ça fait en sorte que l'enfant se comporte, ça fait en sorte que l'enfant, la fille subisse plusieurs sortes de violences. Kenan du studio la rubrique rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes de la rubrique rose de ce samedi avec moi, Ruki, nous partagerons avec euh, nos jeunes mamas et les super grandes sœurs plein de conseils pour protéger bébé du froid. Et avec moi, Fanta, ce samedi, on va protéger nos cheveux afro du froid. Et toujours dans cette lutte contre le froid, avec moi, Bibi, dans l'espace déco et entretien d'intérieur, des astuces pour faciliter le nettoyage de nos maisons. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Dans l'espace santé et bien-être, toutes les catégories de jeunes seront servies. Aujourd'hui, les jeunes mamans à l'honneur, vous êtes jeunes mamans avec cette euh, saison froide qui commence, vous ne savez pas comment prendre soin de votre bébé pour le préserver de toute maladie ou inconfort lié au froid. Pas de panique, voici quelques conseils qui peuvent bien vous aider. Il faut savoir choisir les vêtements et chaussures adaptés à la période. Privilégiez les vêtements en laine polaire. Faites-lui porter une cagoule, des chaussettes bien confortable. Évitez d'utiliser des charpes devant la bouche car l'air qui sort de ses poumons peut l'humidifier. Lorsque votre bébé marche déjà, les combinaisons d'une seule pièce sont très pratiques. Après un bain chaud à l'intérieur, pensez à envelopper le bébé dans une serviette pour absorber l'eau puis tapoter délicatement. Appliquez des huiles de massage après le bain Cherchez des produits adaptés à la peau du nourrisson et habiller le bébé convenablement pour le garder au chaud. Évitez d'exposer votre bébé à la ventilation, la climatisation, à l'intérieur des maisons et à la poussière. Coucou les filles, maintenant on passe aux astuces beauté. Dans cette première partie de l'espace consacré à la beauté, nous allons d'abord nous occuper des cheveux afro et demain on s'occupe de la peau. L'humidité, froid et vent ne sont pas très favorables pour nos cheveux crépus, ce qui les rend vulnérables, fragiles, cassants, ternes et fatigués. Pour éviter la casse et protéger les cheveux pendant le froid, voici quelques astuces. Pour fortifier les cheveux. Avec l'armatan, le temps est sec et froid, ce qui fragilise le cheveu davantage. C'est pourquoi il est important de protéger et d'apporter des fortifiants à sa chevelure pour ne pas avoir une sécheresse capillaire intense. Sans en abuser, c'est le bon moment pour utiliser des produits protéinés. Ils vont vous permettre de renforcer la fibre capillaire. Cela vous permet de créer une balance saine pour optimiser la santé de vos cheveux. Choisir un shampoing doux sans sulfate qui va permettre de laver les cheveux sans abîmer la fibre capillaire déjà bien sollicitée. Il faudra laver ses cheveux à l'eau tiède en massant pour activer la circulation sanguine. Utilisez des huiles protectrices et des beurres. Avec le froid, les huiles végétales et les huiles essentielles sont vos meilleurs alliés pour protéger et hydrater vos cheveux. L'huile de jojoba est facilement absorbée par le cheveu et évitera le frisottis. Préférez les beurres comme le beurre de karité, le beurre d'amande ou encore le beurre de cacao. Dites adieu aux poussières dans votre maison grâce à toutes ces astuces simples et rapides. Les accros du ménage seront ravis et les allergiques seront apaisés. Dépoussiérez le dessus des meubles et étagères en hauteur. Vous ne pourrez dire le contraire. Retirer la poussière en hauteur, celle située au-dessus des meubles et étagères, est souvent compliquée et diffuse les particules à travers la pièce. Il existe une astuce simple qui consiste à enfiler une chaussette humide sur sa main pour dépoussiérer cet endroit difficile. Essayez, vous verrez. N'oubliez pas les ventilateurs. Qu'ils soient suspendus ou sur pied, dépoussiérez autant que possible. C'est le vrai diffuseur de poussière. Lavez les rideaux et autres linges de maison. Les rideaux, double rideaux, protège-canapé sont autant de tissus que les poussières adorent. Avant de laver ces pièces de linge de maison, faites-les tremper dans de l'eau froide dans laquelle vous aurez versé un peu de gros sel. Mélangez une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive et autant de vinaigre que vous voudrez. Nettoyez vos meubles en bois avec cette préparation qui retardera les dépôts de poussière tout en nourrissant le bois. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus de bons plans sur la rubrique rose. Bye bye Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú lo tuyo y haciendo lo mismo. Amis jeunes, nous sommes de retour dans notre émission Tous à la Fada inda yau a nan filin studio Kalangu. Muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in namu na yau, le mariage des enfants, pourquoi sa persistance au Niger. Za mu gaba da tambayoyin tare da manyan bakinmu. Yau a cikin fadar ta muna tare da Zainab Boubacar Zankou est présidente de la FADA des jeunes filles. Nous sommes avec fils Idi du Kojefil et Rabia de la FADA des jeunes filles aussi. Rabia, Comment ça iya mata da iya maza, wa'anne ne wani jinsi ne ya fi fuskantar matsalar nan kuma don me yasa? Eh, tsakanin maza da mata waɗanda suka fi fuskanta a la plupart des temps matani. ba a saurin yi ma namiji aure da bai kai mai mace tun an gani ta girma kaɗan kamar cikin sosiyetin ma ne tun yarinya na ai karama an sa mata hankali kenan ita tun ta ga ta yi abin ga an sa mata aure a cikin eh, kanta aure a mm. kanta kenan ita ba ta san askin da ya kamata ta yi shi ba ba ta san ya ne wace lokaci ya kamata ta yi shi ba ita tana ji da ana ce arme kenan ita ma ilfoki ta yi wannan arma kenan la plupart ita mata ne contrairement maza wa maza on leur plus voilà, de temps eh. eh, ana musu mai kamar mata dai ne sun yawa nafisa kefa a ganin ki ƴaƴa mata ko ɗiya maza wa'anne ne suka fi fuskantar wannan matsalar kamar yadda rabi ta ce ne mata gaskiya sun yi samun irin waɗannan matsaloli na auren gaugawa saboda abubuwan da uwaye suke ma gudu cewa suke ɗiya mace da ta balaga tana iya janyo musu matsala kenan kwamma a bada ta aure tun da wuri wannan ba hujja ba ce e la preuve c'est que da yawa sun huce wannan étape lahiya lau et je me dis que de l'encadrement que tu vas donner à ton enfant mm Combien dépend de, de da tarbiyyar de ka bashi kuma da me yake da suna la confiance que tu donnes à ton enfant mhm. dès le dès la base tarbiyya de yarda yawa Zainab na ga bakin ki na motsi mhm, mhm, kuwa ma <laughs> euh, je pense personnellement que la jeune fille est confrontée à ce problème plus que le, le, jeune garçon. Et je m'explique. Euh, je me dis tout simplement que on nous a fait comprendre que la jeune fille, euh, sa place n'est pas dans, si je peux le dire, la jeune fille ne doit pas étudier. La jeune fille doit euh, travailler à la maison, se marier, fonder une famille. Et c'est aux garçons d'aller à l'école, étudier. Et... Donc j'aime dire que la base, c'est la discrimination. C'est la raison pour laquelle la jeune fille, ou disons les jeunes filles en général, sont les plus confrontées à cette discrimination que les jeunes garçons. Et il y a aussi euh, la pauvreté la pauvreté des, des, ménages, des familles, des parents et autres. Euh, lorsqu'ils ont une fille dans leur maison, ils pensent que c'est une source de richesse, de revenus. Donc s'il y a des LH qui tournent autour de la fille, mhm. donc vaut mieux euh, marier, voilà, abadata, armée et puis, elle va aller, elle va chercher à manger pour amener à la maison. Merci. Donc, je pense que c'est la jeune fille et les raisons sont d'ordre social, économique et puis pas personnel, non. Mm-hmm. Quelles sont les principales causes et facteurs qui accentuent cette pratique du mariage des enfants C'est la discrimination, la pauvreté, euh, le manque d'informations, si je peux le dire, parce que les parents, jusqu'à présent, elles sont dans cette euh, ignorance. Euh, elles sont dans les traditions, elles sont dans les cultures, elles pensent que non, vaut mieux parce que ça date, euh, c'est des pratiques qui datent depuis l'année des prophètes et, tout. L'excuse, c'est voilà, ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne et puis c'est Dieu qui fait, c'est Dieu ainsi, etc., etc. Donc c'est pour vous dire qu'on se cache toujours euh, derrière la religion pour exercer des violences sur les jeunes filles, etc. Nafisa ko akwai abin za ki karawa akan asalin wannan matsalolin wanda Zainab take ba mu? To, kamar dai yadda ta ce ne, yawanci duka asalin waɗannan matsaloli. Da dalilansu. Da dalilansu yawanci sai a ce wata rana wasu su ce al'adodinmu ne sun iske tun zamanin kakanninmu ana yi ɗiya mata ya kamata a ce yarinya karama da ta tasa deja ita mm, me yake da suna son avenir la c'est d'être dans un foyer kuma irin zamanin dakin nan ba a san ba diya mace ta zo ta yi karatu hatta ta yi karatu mai nisa irin wannan hatta zo ta nemi aiki kawai ita diya mace kawai ita da an aihe ta kawai kamar ana shirya ta ne ana shirya ta ne domin zama aure kuma akwai yadda ta ce kuma matsalolin talauci wasu talauci ne wasu kuma gudun magana wasu talauci kenan ya mace baka da hali irin wannan an kwamace kamar ɗa namiji shi a tallafa mishi ya tasa ya nemi me yake da suna ya nemi duniya mace ita kuma ha ake zo a ita investir cikin ta ake ta investir cikin ta kenan kuma ma in ma mutumin da zata aura in ma ba mai kuɗi bane kenan in aka ba da ita aure kenan ila une bouche de moi à nourrir sun rage makansu sun rage makansu et eh, maintenant si c'est un homme un homme riche c'est encore une autre aubaine voilà elle va pouvoir aux besoins de la famille grâce à ce mariage là dukkan su sun yi magana biskan talauki da discrimination eh ni zan eh ni kara da abin ga entere entere kaman abokin babana ne ya gane ni yana sona babana ko ya ce mishi to dan mukama zumuntan ga zan baka ita Kunga wannan factor guda ne ko qu'on vient de peut dire qu'il y a aussi le fait que la jeune fille euh, n'a pas été à l'école, la déscolarisation. Et il y a également euh, l'autonomisation. Donc, je pense que si elle est indépendante, si elle est autonome, elle arrive à subvenir à ses propres besoins ou elle a une activité qu'elle exerce malgré qu'elle n'a pas été à l'école. Euh, elle ne va pas être donnée en mariage, elle va contribuer au, à, toutes les dépenses, manque d'autonomisation, mm-hmm. euh, manque de scolarisation. Et je me dis aussi que si la fille part à l'école et est scolarisée, elle ne va jamais accepter le fait que, que ses parents lui donnent un mariage avant qu'elle atteigne l'âge de, de se marier. Voilà je voulais ajouter à tout cela qu'il y a aussi, euh, hormis le côté parent, il y a aussi un esprit de concurrence aussi entre les filles. Des fois, on commence à t'insulter, à voir et tu vas te dire, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller da la village ƙauyen na irin wannan in aka ta hilin wasa ha gori ake maka vous êtes toutes des petites filles mm. irin wannan ma in ba in ba taba ganin ka ba da samari ko kuma wani samari bai taba zuwa gidanka ku ba da sunan ya zo ga wurin ka ha gorin shi ake maka mai bakin eh, jini e mai bakin jini <laughs> ga ta nan dai duk da yarinta duk da yarinta e tout ça là sa ça pèse quoi sur sa -hmm. ça pèse dans l'esprit et ça pousse les filles Des fois, ce n'est même pas le parent, des fois, c'est elle-même qui se mettent l'impression que voilà, elle a ce elles sont laissées. Du coup, le premier venu, on prend et puis après, c'est les problèmes. Am kamadan da kuka sani masu sauraron mu fadar ta mu muna yi ne muna shakatawa. Yau za saurari wannan waƙar ta suru wanda group soya suka yi ta. da gabatar muku da wannan shirin namu na mahaɗa fada akan maudu'in namu na yau wato le mariage des enfants et pourquoi la persistance de cette pratique au Niger. Nafisa ko akwai abin da zaki kara mana akan irin sakamakon da auren kananan yara ke haifarwa? To ni abin da zan karawa a ce ma yarinya ta samu ciki ta aihu lahiya lau. Kan mu mance da yarinya ce. Mm. yarinya ce karama ita da kanta bata yi da samun tarbiya ba aka huddata aka bada ta aure kenan yaran nan da ta aihuwa ita wani tarbiya ne za ta ba su yaro baya daukan yaro yaro baya daukan yaro in ji hausawa kenan za a samu akasi don yaran nan ba za su samu tarbiyyar da ya kamata ba haka su ma za su tashi su girma haka ne su ma za su ba da su ma in suka girma su kai nasu auren ba samu tarbiyyar kirki ba ballantana su ma su ba yaran su bancin wannan kuma auren yara ƙanana mm, eh, yana da illa sosai bisa kan ƙasa tunda yarinya karama yarinya da ya kamata a ce ta tasa cikin ƙoshin lahiya cikin annashuwa ta yi karatu ta yi in ba ta yi karatu ma a ce ta samu aiki tana wani aikin hannu hakan ga la independent el pourvoir a ses besoins el pourvoir aux besoins de sa famille et tout yarinyar nan yau an ɗauke ta an ba da ta aure mijin baya da ma halin ci da kanshi balantana ya ci da ta balantana ya ci da diyanta yau ga ta nan ta shiga wani kenan an yi ma kasa asara tetris c'est une, une, une, une main-d'œuvre de moi pour le pays, pour la société. Et tout ça là, on a l'impression que ce n'est pas en train d'impacter, mais ça impacte énormément. Parce que euh, pourquoi est-ce que la pauvreté ne finit pas C'est parce que voilà, il y a, au lieu d'avoir des gens qui sont là, des bras valides qui sont là prêts à travailler, on a plutôt des, des nécessités qui sont là, qui demandent toujours à ceux qu'on pourvoit à leurs besoins. Et là, ça peut pas aller. Mais on va pas terminer sans poser la dernière question. Est-ce que vous avez des pistes à partager avec nous sur comment lutter contre cette pratique quelle est la solution ah, un point. Euh, tout à fait, parce que euh, la FADA euh, sous financement de l'UNICEF, de l'Union européenne, du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, pour ne citer que cela, envisage de faire des campagnes de sensibilisation dans toutes les localités, sur toute l'étendue du territoire, sur la question, c'est-à-dire sur la thématique, sur le mariage d'enfants, pas uniquement, le mariage précoce non pas uniquement aussi, il y a aussi le mariage forcé. Donc euh, nous sommes en train de mettre des campagnes ou euh, disons une, euh, des activités, de prévoir autant pour moi des activités de sensibilisation et nous avons également constaté que les sensibilisations en, elles seules ne suffisent pas. Donc nous allons mettre une autre stratégie, c'est-à-dire de former ces jeunes filles ou leurs parents afin qu'elles soient vraiment indépendantes, afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et et pour euh, pouvoir euh, aussi que les jeunes filles qui sont déjà scolarisées à l'école puissent continuer lorsque la mère est indépendante, autonome. Pour euh, vraiment, elle peut prendre sa fille en charge, c'est-à-dire la scolarité. elle peut maintenir sa, jeune fille à l'école. Donc, nous sommes en train d'envisager des campagnes de sensibilisation, de formation et aussi de plaidoyer à l'égard du, du gouvernement pour qu'on puisse vraiment voir dans quelle mesure on peut soutenir euh, cette euh, catégorie de population qui, qui sont toujours dans, dans ces problèmes-là. Euh, avec l'initiative du président de la République, les internats et autres, sûrement que ça peut y remédier. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec UNICEF, Union européenne, pour ne citer que ceux-là. Mhm. Nafisa, Zainab ta bamu su ire-iren gwagwarmayar da suke yi. Ke a ganin ki, wa'in hanyoyi ne ya kamata a bi ko kuma wa'in hanyoyi ne za a iya bi domin magance wannan matsalar? Ya kamata a ce a ci gaba da wayar da kai zuwa ga iyaye zuwa ga eh, matasa su da kansu. Kamar in ba da misali abubuwan da muke yi au niveau de Cogefil. Muna zuwa directement en contact, muna zuwa ƙauyuka, muna hira da uwayen ɗiya muna hira da matasa su da kansu muna musu sensibilization biskan illolin da ke da kwai na auren gaugawa ma yara ƙanana a memtan yara matasa waɗanda ba su je lakwal ba wani wani 'yan mata muna musu da formation activité generatrice da revenu in muka musu formation muna nemo abin da muka ba su domin su fara ayyukan da aka koya musu don su samu su da kansu su aza sana'a da za ta sa su cimma incin kansu bancin wannan kuma muna aiki da me yake da suna leader religio da leader kucumi saboda wata rana ta bakin su saƙo ya yi isarwa ga mm. wanda ya kamata mm. kenan muna aiki da su tunda su ne ke faɗi aji surtu cikin ƙauyuka kuma le fait que mu kasance mu da kanmu mata matasa yana sa su mata da ke can wurin suna ɗaukar mu comme des example kenan suna nan ga gani ne ke lalle ashe mata suna iyawa muna zuwa suna nan ga gani kamar wasu su demand ina ne muke samun ide mhm. inda mu zo muna musu hira wannan suna dauka abun yana ba su shawa kenan elsodi suke a ah, kenan abun da ake hodi kamar ba ƙarya bane gaskiya ne ta saboda ga misali gaban mu ni ma ina so in zama kamar su a travers des exemples comme ça des des modèles que nous amenons kenan nake gani wa'annan abubuwa abubuwa ne da ya kamata tunda vraiment mu mun yi experimente mun gani suna badawa sosai kuma akwai sauyi yau in muka je matsalar da muka iske in muka koma gobe mun gani ta rage ban ce ta kare ba ko da bata kare ba tana ragewa voilà avant de clôturer nous allons donc accueillir Olivier et sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans la chronique de ce soir. C'est toujours un bonheur de partager avec vous ces moments de radio, ces moments uniques où nous faisons le pont entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et l'implication directe sur nos vies. Ce soir, nous allons revenir sur une analyse de l'animateur et producteur de contenu Éric Dupin sur le modèle économique du réseau social Twitter. Vous vous souviendrez que la semaine passée, dans une de mes chroniques, j'analysais le modèle économique de Twitter. Eh bien, Eric Dupin, lui, il apporte une haute lecture de la situation. Et comme la règle d'or en journalisme, c'est la diversification des sources, je suis allé recueillir pour vous cet avis qui n'est pas exactement la même que celle contenue dans la chronique de la semaine passée. Selon Eric Dupin, penser qu'Elon Musk a payé Twitter pour se faire du fric, bah c'est erroné. Et pourquoi Il se justifie. Déjà, il rapporte Musk est l'homme le plus riche de la planète. S'il n'a pas du gain, a probablement été l'un des moteurs qui a motivé le monsieur depuis son début à un moment donné de son parcours. Ce n'est plus certainement le cas. Eh bien, ce ne sont pas quelques milliards de plus ou de moins qui vont changer la vie d'Elon Musk. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Il ajoute, Musk est davantage mu par l'ego et le pouvoir que lui confère sa position. Il est mégalo, c'est un fait, mais marquer l'histoire de son empreinte est certainement plus important à ses yeux que de gagner quelques millions de plus. Il faut comprendre que les génies de la Silicon Valley ont pour objectif de changer le monde. Ceci a commencé avec Steve Jobs, avec Microsoft, puis Zuckerberg avec Facebook et toute la clique qui s'ensuit. Ils veulent bien s'incruster dans nos vies, rester dans les livres d'histoire et surtout partir avec nos mémoires et avoir la transformation digitale en cours. Eh bien, ils ont presque réussi leur pari, on peut le dire comme ça. Après le premier milliard gagné, le gain financier n'est plus qu'une conséquence de leur parcours, plus réellement une motivation. Alors, puisque nous parlons du fric, nous allons quand même observer de près les chiffres. Et les chiffres de qui De Twitter, bien évidemment. Le rachat de Twitter coûte 44 milliards à Musk. Selon plusieurs médias, dont le média Bloomberg, le chiffre d'affaires de Twitter en 2021 c'était de 5 077 milliards de dollars. Le bénéfice est seulement de 221 millions de dollars. Alors, sur la base de ces chiffres, il faudrait 199 ans à Elon Musk pour pouvoir rembourser son investissement. À partir de là, il commencerait seulement à rentabiliser en gagnant de l'argent. Donc, c'est pas pour demain, les amis. Cher ami, il est temps de rendre l'antenne. La chronique, c'est seulement deux minutes, vous le savez bien, et ça finit vite. Rendez-vous demain pour la suite de cette chronique. Et demain, vous savez quoi Nous allons parler de comment, après le rachat du réseau social Twitter, Elon Musk a transformé ce outil digital en un outil géopolitique. À demain, et d'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One big love, les amis. Merci Oli. Et oui les amis, tout ça la fada c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui c'était le mariage des enfants à kananan et pourquoi la persistance de cette pratique au Niger. fada Zainab Boubacar Zankou la présidente de, la fada des jeunes filles. Nous avons le fils euh, du COGEFIL, comité des jeunes filles leaders et Rabia qui est la secrétaire, n'est-ce pas, de la fada des jeunes filles. Merci d'être là. kamar yadda suka faɗa ta wannan ɗabi'ar ta wurin ƙananan yara tana haddasa matsaloli da dama daga cikinsu kamar matsalar yoyon hitsari da sauransu Merci à tous de l'avoir suivi sai kun gobe da Allah ya kai mu na da za mu dawo muku da wannan shigon amma akan wani fanni daban kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu.